madame. Euh, je suis madame Lydia Camara. Euh, je suis la présidente du comité d'organisation euh, pour les festivités du centième anniversaire de la SECNA. Et je suis le deuxième fondé de pouvoir de la SECNA. le 11, nous prévoyons d'organiser un panel. C'est un panel technique pour les partenaires de la SECNA et les équipementiers de la SECNA, les autorités aéronautiques qui vont faire des communications et le personnel aussi est invité à participer à ce panel. Euh, après le panel, euh, on aura un dîner de gala le même jour au King Fat Palace. Et le 12, nous prévoyons d'organiser la cérémonie officielle du 60e anniversaire avec les autorités locales, les autorités aéronautiques et le personnel de l'agence. Bon, la SECNA est un établissement public à caractère multinational euh, qui regroupe 18 pays euh, dans l'espace africain, euh, Madagascar, les îles Comores et la France, bien entendu, qui fait partie des 18 pays. Et le, métier de la SECNA, c'est le contrôle aérien. Donc c'est ça son, principal métier sur, la, sur les, aspects techniques, euh, il y a d'autres aspects. Hein. il y a la météorologie, euh, la navigation aérienne, bien sûr, la maintenance. On a des pompiers qui s'occupent de la sécurité sur euh, la piste de l'aéroport. Bon, il y a plusieurs métiers connexes qui servent au contrôle aérien. Mais la principale mission, c'est, comme, comme le dit notre slogan, on trace les routes du ciel. Voilà, donc nous nous occupons de cette sécurité en vol, et au sol. Euh, je souhaite à tous les ASECNiens, comme on aime le dire, un joyeux anniversaire et qu'on ait encore à fêter euh, encore 60 ans encore euh, l'anniversaire de la SECNA. bonjour, je me présente, je suis Madame Soumaré Maritiam. Je suis cadre comptable au niveau de l'agence comptable de la direction générale de la SECNA. Et en plus, je suis la secrétaire générale du syndicat autonome des travailleurs de l'aéronautique du Sénégal affiliée à l'UNSAS de Madame Bassok. Aujourd'hui, je suis, je suis émue parce que j'ai été baptisée, moi, par l'argent de la SECNA. Mon père a fait 35 ans à la météo à Yoff, de service. Et il a pris sa retraite depuis 1976. Et moi, j'ai intégré à la SECNA, comme ça, à la suite d'un AVP. Et depuis 1997, je suis ici à la direction générale. La SEGNA, ah, c'est une fierté pour l'Afrique. C'est un outil d'intégration, le seul outil d'intégration qui reste en Afrique. Et l'Afrique est mort de sa belle mort. Et maintenant, c'est des compagnies nationales qu'on est en train de voir. Les dynamiques collectives ont été cassées. Maintenant, chaque pays veut, veut, s'accompagner, alors que Air Afrique regroupait tous les pays de l'Afrique. Maintenant, il n'y a que la SEGNA qui reste et c'est un outil à préserver absolument à préserver. ici, à la direction générale, on a en même temps 17, 18 nationalités dans un même endroit. Ça, c'est très beau. C'est très beau, c'est le partage, c'est la solidarité, c'est la mutualisation. Moi, je suis fière de travailler à la SECNA. Et pour rien au monde, je ne voudrais quitter euh, cette institution. Ouais. Euh, bon, dire euh, joyeux anniversaire à la SECNA, et en sango, une langue que j'aime bien, une langue de la Centrafrique. Et je disais Singila. Singila Mingi. <laughs> Merci beaucoup. Merci. Mon suis ngi tudd Lamine Dramé di Segna, euh, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'aviation civile beaucoup synthèse bu Mourguirou jiite waaw yëg-yëg bi ñu am tey mooy fierté fierté parce que Assegna a 60 ans 60 ans si institution de donc nous avons 60 ans parce que nous avons créé le 12 décembre 1959 à Saint-Louis en 2019 nous avons fii célébrer les 60 ans de la loolu képp qui est ni liggéey nga ASECNA d'abord, war une fierté pour nous. fierté pour non seulement le Sénégal parce que Sénégal bokk na si ñi nga xamante ni ñoom ñoo taxawal fierté aussi pour Afrique mais j'allais même dire fierté pour le monde entier parce que li xaw c'est unique au monde wa activité yi ñu mëna xaar bari na le 11 war nañu dem King fat, bu ñu demee King fat dañ fay def ben panel de haut niveau boo xamante ni day dajale kàngam yi nga xamante ni seen xam-xam ak seen xel dafa màcc si mbiru aviation civile ñu wax jaar-jaaru ASECNA wax ASECNA li nga xamante ni jot na ko liggéey si mbiru kaaraange aéroport si mbiru kaaraange avion donc panel la boo xamante ni dina dina dina regrouper en tout cas beaucoup de sommités beaucoup d'experts sur le plan euh, sur le plan de l'aéronautique donc ñi ngi war a jëm foofu le 12 le 11 et le 12 aussi euh, war na am euh, ay festivités yoo xamante ni toujours King part lañ koy amee après le tout nous clôturons par une soirée de gala le 13 avons un comité des experts bu comité bu comité des experts Nous euh, vraiment j'allais dire en charge les questions de civile dans leur pays. Je voudrais remercier tout le personnel ah, remercier tous les cadres di remercier ñëpp ñi nga xamante vraiment ils ont contribué à apporter leur pierre à l'édifice parce que Asekna, bu demee ba toll fii tey bu demee ba dund lu 60 ans c'est parce que amna ñu bëri ñoo xamante ni jàpp nañ si am na ñoo xamante tey liggéey nañ fa tey nekkatuñu fi donc ñooñu ñëpp ñi ngi ñaan suñu borom dafa leen jàmm ñi nga xamante ni aussi ñi ngi fii di liggéey ñi ngi ñaan suñu borom gën leen defal jàmm ñu liggéey ba jël retraite et le défi majeur c'est aujourd'hui c'est faire en sorte que la Secna continue encore à être pérenne pendant presque une centaine d'années C'est un défi c'est objectif si ce que nous dox si ce que nous yëngatu si ce que euh, je m'appelle euh, Fatimata Cheifou je suis euh, je représente les femmes du siège de la SECNA en tant que présidente donc de l'association des femmes du siège qui s'appelle APSA depuis 4 ans maintenant. Euh, aujourd'hui est un jour euh, assez spécial parce que nous habitons, nous venons travailler dans cette euh, grande et belle maison qu'est la SECNA, qui a aujourd'hui 60 ans. donc 60 ans, ce n'est pas rien, c'est très rare. Je pense que c'est un exemple de coopération africaine, c'est pratiquement le seul exemple, où j'ai 29 ans d'ASECNA, ce n'est pas rien. Alors euh, aujourd'hui, c'est un jour euh, particulier où je me sens très fière d'appartenir à, cette institution. Cette institution euh, à qui je me suis dévouée pendant d'aussi longues années et j'ai choisi de, de, plaider pour la cause des femmes. Et depuis quatre ans que je suis élue à la tête de ce bureau, je, nous plaidons pour l'égalité du genre et la parité. Alors la réflexion, c'est que l'aviation est un des secteurs les plus masculins au monde. Euh, c'est le secteur le plus florissant aussi du monde, au vu de, euh, des taux de croissance enregistrés. Vous voyez aujourd'hui, euh, le monde prend de plus en plus l'avion. Mais c'est le secteur où la femme est le moins représentée. Nous avons à peine 5% de femmes dans ce secteur-là. Donc euh, aujourd'hui, c'est une action pour nous de grâce où nous, comptons sensibiliser les hommes et les femmes à euh, encourager la jeune fille à aller vers les métiers des STEAM, sciences, ingénierie, mathématiques. Et euh, voilà, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques qui sont les métiers en fait qui fournissent 75% des métiers. Aujourd'hui, euh, la tendance est quasiment inversée parce que selon les dernières statistiques de l'université Cheranta 80% des femmes, des, effectifs sont des femmes en mathématiques. Donc euh, vraiment, je pense que le monde de demain, quand la SECNA sera centenaire, nous allons avoir carrément l'inverse. Alors c'est un métier où, euh, c'est un secteur où la femme peut vraiment s'épanouir parce qu'il y a des temps de repos et c'est important pour les femmes, vraiment, mais c'est un secteur méconnu. Le seul métier qui est dédié aux femmes, c'est l'hôtesse de l'air. Et nous luttons justement pour briser ce stéréotype-là, qui est vraiment un frein à l'évolution de la femme dans la société. Et puis de toute façon, quand on dit euh, inégalité, c'est pour le bénéfice de tout le monde, aussi bien le bénéfice de la société au niveau interne qu'au niveau externe. Donc euh, voilà un peu euh, mon ressenti en tant que femme. Ma parole des femmes de la SECNA aujourd'hui, nous invitons les jeunes filles à vous orienter, à être sensibles au métier de, de l'aviation et à venir entrer dans ce secteur-là pour le bien-être de la société en général.